Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et vous, vous rappelez certainement de Ousmane Piano. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa, c'est-à-dire Tous Salafada, présenté par la Miss Rim. Nous avions parlé du parcours en question de l'acteur culturel. Son nom à l'état civil, Ousmane Biano, vous l'avez eu sur cette émission. C'est un nom que porte son père, puisqu'il est né le premier jour de la fête de Biable. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de cette fête. Ousmane Biano, dit la machine, te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Comment tu vas, mon frère Je vais très bien. Tu es en forme Dis-moi que tu la la forme. Super. On va parler de piano. Parlons de piano sélection. Tu me frissonnes un peu là parce que effectivement. Je sais comment est-ce que tu, tu te donnes à fond quand on parle de Biano et je sais le fait que ça te fait. Ok, quand on parle de Biano. Alors parlons de Biano sur l'émission, la fête, l'historique. quest ce que ça a commencé Où est-ce qu'on y va C'est qu'est-ce qui est produit C'est parti mon frère. Donc l'histoire de Euh beaucoup d'explications. ok, commençons donc, par euh, euh, donc l'histoire de Bianou, ça a commencé pas aujourd'hui. Ok. Depuis euh, l'Égypte, mhm. et quand euh, le prophète paix salut sur lui, mhm. et s'est transféré des mecs à Médine. Mhm. Donc c'est cet accueil la population de Médine le fait qui justifie aujourd'hui d'une partie religieuse la fête de Bianou. Ah. Voilà. Ok. Donc c'est un peu ça aujourd'hui. Donc, ici, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut te dire voilà où ça a commencé, où le jour, ou bien combien d'années. Donc, vraiment, c'est une histoire religieuse auquel les gens le font. Mais d'une manière ou une autre, ça déforme, ça déforme jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle devient un carnaval historique en Afrique de l'Ouest. Mmh. Ça commence, et, cette histoire, c'est lien là que je fais, ça commence au 10 mois de Muharram. Ok. Donc, juste et 23 jours après la fête de la Tabaski. Ok. Donc, la langue de la fête, ça commence juste une semaine. Mhm. Donc, c'est là où il y a un rituel qui est organisé de la vieille ville mhm. d'Agadez. Ok. Donc, et ça, ça prend maintenant et le, jour de la fête même, mhm. c'est le 9 du mois de Maharam. Donc, là veut dire qu'à partir de la semaine de la Tabaski, si tu comptes, ça fait 23 jours. Donc, le bien se justifie aussi et une fraternité, une joie et tout au rythme des akanzam et des tambours. Ok C'est ce qui façonne aussi la ville d'Agadez. D'accord Alors cette année, qu'est-ce qui est concrètement prévu, mon ami Ousmane Parce qu'on m'a dit dans les coulisses que c'est spécial. Effectivement, oui. cette année... Et je suis à Agadez, j'ai envie de savoir. Effectivement, cette année, c'est vraiment une, une spéciale. Mhm. puisque en réalité, toutes les autorités, que ce soit eh, administratives et coutumières, ont pris les choses à main. OK. Et, et, que déjà bien avant, aujourd'hui nous sommes deux mois, il y avait déjà une annonce officielle mhm. qui dit que donc voilà, ça va se débuter en mi-août, donc cest à vers le 16, 17 et 18 août. Ok, 16, 17 et 18 août. Donc c'est ça, et ça, ça va avoir une, invitation internationale. Tout à fait. Donc il y aura déjà beaucoup de médias internationaux qui, mhm. sont intéressés à venir, à y participer. Bien sûr. Pour prendre des images, mhm. pour photographier la ville, mhm. pour photographier les, et les caravaniers. Et site touristique, la région d'Agadez. et aussi les danseurs et tout, tout, tout, ce qui est vraiment de, la culture tout simplement. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique consacrée à l'art et à ce que tu le pratiques. Tu pratiques l'art parce que tu es un acteur culturel. Alors est-ce que tu as un message est-ce que la fête sera spéciale, un message à donner à l'endroit de toute la jeunesse nigérienne qui regarde cette émission un peu partout. Parce que tout le monde va se converger à partir déjà du 16 à Agadez. Il y aura donc euh, des partenaires qui vous accompagner pour que les jeunes se déplacent, pour que le monde entier se déplace vers euh, la région d'Agadez. Alors regarde la caméra, l'instant est solennel. C'est parti. Effectivement, donc il y aura beaucoup d'invités des invités cette année et beaucoup de gens sont intéressés à y participer. Et beaucoup de jeunes sont intéressés vraiment à participer à ce grand événement, ce, grand rendez-vous de l'année 2021. Donc moi j'invite toute la jeunesse nigérienne à y participer et massivement pour qu'elle vraiment doivent y vivre parce qu'on a dit, eh, a déjà dit qu'il mm, faut vivre la fête de Bion même si c'est une seule fois de sa Donc c'est vraiment l'occasion. Ainsi parle l'acteur culturel. Merci à Olivier à Assobavi pour les images et la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe jeune. Nous sommes à Agadez et nous avons été bien accueillis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était l'artiste s'exprime et tout de suite, tout ça la fada, la continuité. Deus.